Il est 18h15 à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre écoute au programme du studio Kalangou diffusé chaque jour à travers notre réseau dynamique de 38 radios partenaires couvrant toutes les huit régions du Niger. C'est l'heure du forum du studio Kalangu, votre rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Le thème que nous vous proposons ce soir à l'approche de la session 2019 du baccalauréat au Niger est l'épreuve de philosophie au baccalauréat du Niger, comment y faire face. Parmi les épreuves qui effraient les élèves de terminale au baccalauréat figure celle de philosophie d'où la nécessité de comprendre par quoi passe sa réussite. Pour ce faire, nous verrons au cours de ce forum quels sont les différents types de sujets de philosophie au choix que le Niger propose à ses candidats au baccalauréat, comment sont faits chacun de ces sujets de philosophie, comment aborder le contenu d'un sujet de philosophie au baccalauréat, quelle est la méthodologie nécessaire pour réussir cette épreuve, Comment dégage-t-on la problématique Comment élaborer son plan Comment savoir à quel chapitre des cours de l'année renvoie un sujet de philosophie au baccalauréat Comment faut-il utiliser les citations Faut-il se servir de l'actualité dans les raisonnements à faire Comment éviter le hors-sujet Quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur la copie du candidat Comment les copies sont-elles corrigées Qu'est-ce que les correcteurs attendent des copies des candidats Comment se débarrasser du stress à l'examen Pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous dans ce studio M. Loli Abdoulimam. Il est inspecteur principal en philosophie. Monsieur l'inspecteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur DJ. Et au téléphone, Monsieur Isaac Garba, enseignant de philosophie au complexe d'enseignement privé et l'hymne de Niamey. Monsieur Isaac Garba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Michel. À la présentation de ce forum, Michel DG Monsieur Lola Abdelimam, pour commencer, dites-nous ce que c'est une épreuve de philosophie au baccalauréat et quels sont les différents types de sujets de philosophie au choix que le Niger propose à ses candidats chaque année. Merci bien, euh, Monsieur DJ. Je pense que de façon classique, hein, <laughs> tout le monde sait que l'épreuve de philosophie comporte euh, en général trois sujets qui tiennent toujours sur une page, mhm. euh, dont deux dissertations et puis un sujet texte, donc généralement appelé commentaire philosophique. Commentaire philosophique. C'est les trois en fait, euh, sujets qui constituent le menu de l'épreuve de philosophie au bac. Mm-hmm. Au choix. Oui, au choix, bien sûr. On donne euh, toujours, en tout cas, le choix au candidat. Il a la possibilité de choisir entre trois sujets. Voilà. Monsieur Isaac Garba, comment aborder le contenu d'un sujet de philosophie au baccalauréat Donc, euh, les sujets proposés au bac sont en général des sujets originaux ou des sujets déjà proposés au baccalauréat, l'élève doit quand même mobiliser euh, toutes ses connaissances acquises mmh. au cours de l'année. Et ce qu'il faut dire, il faut d'abord rappeler qu'en réalité, euh, il n'existe pas de recette infaillible pour réussir la dissertation ou le commentaire de texte. Et euh, ce que nous entendons par recette, ce n'est pas une formule ésotérique dont mhm. l'invocation envoûterait le correcteur pour garantir une bonne note au candidat. Mhm. D'abord, le candidat doit prendre le temps de lire attentivement les sujets, essayer de délimiter leur contour d'abord, se dire ce sujet porte sur quelle notion, quelle est la, ou quelles sont les notions qui doivent intervenir euh, dans ce sujet pour permettre au candidat de mobiliser toutes ses connaissances qu'il a acquises donc au cours de l'année ou bien le texte effectivement. Et si je peux encore ajouter dans le cas du commentaire souvent, on a l'habitude d'ajouter la connaissance en fait de l'auteur n'est pas fondamentalement nécessaire et mhm. là l'élève doit s'en tenir au texte et rien qu'au texte. Donc voilà un peu de manière amassée ce que je peux dire sur euh, euh, comment aborder le sujet de philosophie. Vraiment, il faut que les élèves évitent la précipitation, prendre le temps de lire attentivement le sujet, le comprendre, et surtout, surtout, le choix des sujets est très important. Il ne faut pas choisir, euh, surtout les élèves ont tendance à se réfugier aux commentaires, le commentaire, ils le prennent comme refuge ils ont abordé les deux dissertations et ils ont vu que les deux dissertations sont, ne sont pas abordables. Alors ils se réfugient dans le commentaire pour bâcler le travail et cela n'est pas conseillé. Il existe aussi des sujets qui contiennent des mots difficiles. Que peut faire le candidat face à cela Ah oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher d'abord, comme euh, le dit Descartes, il faut difficiliser le difficile. Donc, il faut diviser le sujet en ces éléments simples. La première des choses, c'est de comprendre les termes du sujet. Ça, c'est évident. L'élève doit chercher d'abord à comprendre les termes du sujet. Il doit tenter de les définir pour euh, vraiment encore saisir de quoi il est question. Ça, c'est un préalable au cours de sa lecture. Et c'est ça, donc, cette lecture attentive doit l'amener véritablement à définir les termes du sujet, à le reformuler à sa façon et s'assurer véritablement qu'il a compris. Et c'est ce qui lui permettra de dégager la problématique. Merci, M. Loli À ce niveau, comment on dégage justement la problématique Bien, merci bien, M. DJ. Euh, je pense que votre question est liée un peu à la précédente. Hein. Mhm. Euh, c'est-à-dire, effectivement, comment aborder euh, un sujet de philosophie. Je pense qu'il y a tous les professeurs de philosophie l'apprennent certainement à leurs élèves. Il y a des façons d'aborder parce qu'en fait, chaque exercice a ces critères. Mhm. Ce n'est vraiment pas au hasard. Euh, qu'il faut mener cet exercice-là, c'est un de, de, réflexion. Si c'est la dissertation, euh, je pense que euh, nous devons dire que la dissertation philosophique peut être définie comme étant l'examen d'un problème philosophique. Mhm. L'examen d'un problème philosophique. Donc, contrairement, par exemple, aux autres dissertations, parce que, par exemple, en français, on propose aux élèves une dissertation, mhm. en histoire, jeu, etc. Bon, je pense que, euh, disons que les, élèves doivent évidemment suivre chaque professeur qui est spécialiste de, euh, de son domaine. En mhm. philosophie, euh, je pense ici, la particularité, c'est que les sujets de philosophie n'explicite jamais le problème. Mhm. Donc, c'est à l'élève de faire l'effort de l'expliciter. évidemment, comment Je pense que cette façon est forcément apprise par tous les enseignants. Euh, deuxième chose, il faut rappeler peut-être que les objectifs, euh, ou bien l'objectif de la dissertation est double. Je pense que le premier objectif de la dissertation philosophique, si c'est de ça qu'on parle d'abord, avant le commentaire, euh, c'est mhm. d'abord pour l'élève de montrer sa capacité à raisonner. Je pense que chaque correcteur qui prend la copie, l'élève s'attend d'abord à voir la manière dont l'élève ici argumente. Mhm. Vraiment, ce n'est pas tant la réponse donnée qui importe à un sujet, mais c'est la façon dont on l'amène. Donc, l'élève doit pouvoir montrer euh, sa capacité à raisonner. Deuxièmement, sa capacité euh, à mobiliser des connaissances, je pense, assez diverses. Hein. Il a des connaissances qu'il acquiert lors du cours, il fait peut-être des recherches lui-même, etc. Donc, euh, autant, si vous voulez, d'éléments sur lesquels, c'est-à-dire l'élève doit s'appuyer pour pouvoir mobiliser euh, des connaissances et donc défendre, par exemple, euh, des thèses différentes. Mhm. Voilà, je me semble-t-il, les deux objectifs. Et je pense que le Canada ne doit pas perdre de vue ces deux éléments. Euh, la particularité de la dissertation, ses objectifs, etc. Maintenant, comment aborder, par exemple, la dissertation Je pense qu'il y a une façon, disais-je, qui est certainement enseignée par tous les enseignants. il ne faut jamais se fier <laughs> spontanément au sujet, mhm. etc. Donc, il faut toujours, par exemple, pour la dissertation, analyser mm. le sujet. Euh, ça passe par une étude euh, généralement à trois étapes. Euh, premièrement, il faut définir les mots du sujet. Mm-hmm. Je pense que c'est extrêmement important. Tous les mots, sinon en tout cas les mots essentiels, doivent être rigoureusement définis. Première étape. Euh, deuxièmement, l'élève doit essayer de chercher quel est le problème philosophique qui se cache. Parce que j'avais tout tantôt indiqué que la dissertation philosophique est l'examen d'un problème. Mhm. Donc, il faut que l'élève pose clairement ce problème. Euh, il faut vraiment que le correcteur voit clairement, ça fait partie des éléments de la compréhension par le candidat du sujet. Il faut qu'il puisse montrer clairement qu'il y a un problème spécifique qui est posé. Donc, euh, ça, c'est la deuxième étape, euh, c'est-à-dire donc montrer le sens de la question, c'est-à-dire reformuler le problème. Et troisièmement, maintenant, c'est dans la troisième étape maintenant que l'élève va euh, montrer justement la problématique. Mm. Euh, c'est la question que vous posez là euh, tout à l'heure, mm. n'est-ce pas Donc, en effet, ces éléments-là sont liés les uns les autres. Mm. La définition des mots, c'est-à-dire que quand l'élève définit les termes, je vous assure qu'il y a beaucoup de sous-entendus qu'il ne voit pas à première vue en prenant le sujet. Mais je vous assure, plus il définit des sujets, mieux le sujet s'ouvre devant lui clairement. Mm. Voilà la première étape. Quel éclaircissement avez-vous à apporter par rapport à cela, Monsieur Issa Kagaba Le sujet, effectivement, renferme un problème. Mm-hmm. Et l'élève, à partir de l'intitulé du sujet, qui est déjà sous forme interrogative, il doit dégager une formule paradoxale. Vous comprenez Donc, euh, c'est ça la problématique, c'est la question de, la question. Donc, à partir de l'intitulé du sujet, l'élève dégage effectivement le problème. Mhm. Et maintenant, comment poser ce problème D'abord, vous savez, la philosophie d'abord toujours commence par le général. Donc il faut dégager l'opinion commune. L'opinion commune, c'est-à-dire ce que pense le sens commun, l'homme qui n'a pas fait de philosophie, comment on conçoit la chose de manière générale, de façon commune. ça peut être également la position d'un philosophe. Et puis après, le paradoxe. Et le paradoxe vient de deux mots grecs, para, qui veut dire euh, contre et doxa, donc qui se réfère à l'opinion commune. Et après, à partir de cela, euh, l'élève peut dégager la problématique. Donc voilà un peu euh, ces trois étapes qu'il faut respecter à mon sens. Oui, monsieur de Abdelimam, ça veut dire que pour réussir ce travail, il faut avoir une bonne méthodologie. Voilà, exactement. Et, que faut-il alors comprendre de cette méthodologie en philosophie Donc pour pouvoir préparer euh, si vous voulez, la dissertation, il faut au préalable faire une analyse du sujet mhm. qui comporte les dites étapes, là, les, étapes que j'étais en train de dire. Mhm. Au brouillon, il s'agit de définir d'abord essentiellement les mots. Je ne suis pas encore au mhm. niveau de l'introduction, on va en arriver. Mhm. D'accord Donc, euh, après. C'est le travail préalable. Exactement, pour mhm. pouvoir ah euh, préparer. Donc, après le sens des termes, il faut chercher le sens de la question, ou plus exactement, euh, relever le problème philosophique. Parce que je vous disais tantôt que la spécificité de la philosophie ou de la dissertation philosophique, c'est que le sujet n'est jamais explicité. Euh, charge en fait à l'étudiant, au candidat de, de pouvoir expliciter le problème. Mhm. Et puis maintenant, d'en proposer une problématique. C'est quoi une problématique C'est la bête noire de, de beaucoup de candidats. Mhm. Euh, en fait, comment dire La problématique n'est rien d'autre qu'une question, ou un ensemble de questions, le plus mhm. souvent, euh, en fait, qui tente vers la résolution du problème, puisqu'il y a un problème spécifique qui a été dégagé. Comment pouvoir y répondre Donc, il y a des perspectives de solutions. c'est l'ensemble de ces perspectives-là qui constituent la problématique. Mhm. Donc, en réalité, euh, la problématique, une fois dégagée, elle annonce déjà euh, le plan. Mhm. Donc, euh, le candidat doit pouvoir spécifier tout ça au prion. Et je pense que, puisque M. Isaac a parlé déjà de l'introduction tout à l'heure, effectivement, dans l'introduction, il faut que le candidat fasse l'effort de montrer quand même au moins ces aspects. dans un premier temps, essayer de présenter ou d'amener le sujet euh, il faut, par exemple, bon, en fait, en réalité, il n'y a pas un schéma type d'introduction. Mhm. Je pense que c'est le sujet et lui seul qui détermine. Mhm. Mais on peut voir un plan d'ensemble, hein, mhm. n'est-ce pas Dans une première étape, il faut euh, amener, présenter le sujet, dire de quoi il s'agit, montrer son intérêt, que la question vaut la peine euh, d'être posée. Donc, deuxièmement, montrer effectivement le problème spécifique qui, qui, se pose ou qui se cache derrière ce sujet. Et puis maintenant, montrer les voies et moyens n'est-ce pas, ou les perspectives de résolution de ce problème à travers un ensemble de questions euh, qu'on appelle la problématique. Voilà à peu près un schéma. Bon, général, encore une fois, je suis d'avis vraiment que c'est le sujet lui seul qui détermine la, façon, donc, euh, euh, si vous voulez, d'introduire. Mais on peut retenir en gros ces étapes-là. Dans la méthodologie, il n'y a pas que l'introduction. La suite, euh, c'est le développement et la conclusion. Bien sûr. Quel est le plan qu'il faut pour arriver à bien réussir euh, ce travail, Monsieur le ah oui. de euh, Oui, c'est une question, je pense, intéressante. Euh, comment élaborer un plan Je pense également, c'est la... En fait, le sujet lui-même, normalement, si les élèves sont assez attentifs, il dit lui-même la façon de l'aborder. Mhm. pour être très général, n'est-ce pas Je vais vous dire que euh, en général, mhm. le plan qui est prisé en philosophie, c'est le plan dialectique. Euh, thèse, antithèse, synthèse. thèse, antithèse, synthèse. Tant que le sujet permet un traitement sous cette forme, euh, je pense qu'il n'y a pas à hésiter là. Mhm. N'est-ce pas Et puis donc, mais je dois bien préciser, bien sûr, qu'il y a des sujets qui ne se prêtent pas à à ce plan. Par exemple, pourquoi refuse-t-on la conscience à l'animal Point d'interrogation. Mhm. Pourquoi, refuse-t-on la, conscience, à l'animal Point d'interrogation. Par mhm. exemple, là, le, sujet dit, exactement, le sujet dit on refuse la conscience. Vous n'avez pas à dire on, la refuse, on la refuse pas. Mhm. Le sujet dit on refuse la conscience. Maintenant, il vous demande pourquoi. Donc là, euh, c'est un plan progressif. Par exemple, dans une première étape, je ne sais pas si je dois dire très évidemment, on peut dire euh, pourquoi, quelles sont les raisons objectives pour lesquelles on refuse la conscience à l'animal dans une première étape. Par exemple, n'est-ce pas Et après, pour maintenant, on peut élaborer d'autres types euh, de réponses. Par exemple, euh, même si on refuse la conscience euh, à l'animal, n'est-ce pas On lui reconnaît, par exemple, pour autant des droits. Mhm. Absolument. <laughs> Dans beaucoup de pays, surtout évolués, les animaux ont des droits. Mhm. Pourquoi Parce que, par exemple, l'animal aussi sensible que l'homme. Euh, à la douleur notamment. Naturellement. Si mhm. vous caressez un, chat, je pense qu'il aura du plaisir. Mhm. Euh, si vous le frappez, vous allez le voir crier et c'est normal. Mhm. Donc autant d'éléments qui impliquent qu'il euh, est aussi sensible que l'homme. Donc c'est pour ça qu'on lui consent des droits. Par exemple, dans une troisième partie, on peut dire, mais est-ce que ces droits-là sont équivalents à ceux de l'homme Bon, c'est juste une perspective. Voyez-vous, donc là, forcément, la, la perspective thèse thèse n'est pas envisageable dans ce cas de sujet. Voyez-vous, donc c'est l'élève qui doit être attentif au sujet. Tant que le sujet permet un plan euh, dialectique, euh, bien sûr, je pense que c'est le meilleur plan. Et, là, je pense que euh, on en revient à la problématique et, sa difficulté d'élaboration. Je pense que c'est assez indicatif. Hein. Puisque le plan dialectique étant le plus prisé, l'élève peut se poser la question est-ce que ce problème-là posé peut être répondu par lui ou non Ou bien est-ce que le sujet lui-même peut avoir un traitement dialectique Si oui, donc il, peut facilement élaborer des questions de la problématique hum. euh, dans le sens euh, de répondre oui et non, c'est-à-dire la perspective dialectique. Hum. Auquel cas, il faut maintenant s'adapter donc au plan qui convient au sujet. Le plus souvent, sincèrement, quand vous êtes attentif au sujet, c'est lui-même qui vous indique la manière de l'aborder. Euh, tout à l'heure, on avait pris un sujet qui n'est pas sous forme dialectique. Il arrive qu'on dise faut-il, peut-on, doit-on. effectivement, ce sont des mots outils. Euh, mhm. on les appelle ainsi, je pense, donc il faut faire assez attention avant le choix. Quel sujet choisir C'est vrai, le choix est offert au candidat, mais il faut tirer parti du choix offert. Donc choisir le, le sujet vraiment dans lequel on se sent le plus à l'aise. Et, je pense que parmi les critères du choix, ils sont très nombreux. Hein. si vous <laughs> posez la question, on peut aborder cet aspect. Euh, il faut faire attention au mot outil mhm. euh, avant de choisir le sujet. Ça veut dire quand on dit faut-il, bah, doit-on Peut-on par exemple, renvoie à plusieurs euh, perspectives. Mhm. Euh, la possibilité, mhm. ou bien le droit. a le droit Est-il possible Donc, il faut d'abord s'interroger dans quel sens le sujet est-il orienté j'ai vu un sujet, par exemple, on a dit faut-il redouter la mort Très bien. Faut-il C'est une question de nécessité. Ah, ah. Mhm. Mhm. Faut-il C'est une question de nécessité. Est-il nécessaire de redouter la mort mhm. Par exemple, doit-on toujours obéir à l'État Doit-on C'est une question, c'est le devoir. Est-il de notre devoir et effectivement, comme M. Lima a dit, il faut être extrêmement vigilant sur les thèmes. Il a commencé à le dire, par exemple, vous voyez quand on dit, doit-on toujours toujours là, c'est un mot piège. Mhm. Ou bien la, passion est-elle forcément déraisonnable Le passionniste est-il forcément. Donc, c'est aussi un mot piège. Par exemple, en principe, un élève qui dit qu'il faut toujours obéir à l'État, donc il n'y a pas d'antithèse. Mhm. Alors que ce sujet-là nécessite une antithèse. là, quand on dit doit-on, vous êtes en train de parler des termes spécifiques. Faut-il, doit-on mhm. un peu temps, effectivement, il vous a dit possibilité, droit, etc., etc. Et ça, c'est d'autres expressions encore toujours là forcément, nécessairement, l'élève doit beaucoup faire attention parce que c'est des astuces un peu pour le physique. Monsieur Isakatondia, avez-vous d'autres conseils à donner par rapport à la méthodologie et à la problématique euh, aux élèves qui vont affronter cette épreuve de philosophie Oui, je crois que l'inspecteur a déjà répondu. Vous savez, monsieur Michel, il n'y a pas une méthode passe-partout hein, en philosophie. Hum. Leibniz disait il y a une variabilité de porte d'entrée. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il l'a bien dit. Le sujet interpelle l'élève à réfléchir de manière rationnelle, de manière cohérente, la logique. Et c'est ce qu'il vous a dit. Quand l'élève est arrivé à s'élever au niveau du concept philosophique pour dégager une réflexion sensée, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on attend de lui, à conceptualiser les problèmes euh, euh, le problème du sujet. Mhm. Et il a bien dit, hein, chaque sujet est spécifique. Effectivement, le fait euh, qu'on est attentif au sujet nous donne la clé de percevoir le problème qui le renferme et procéder véritablement à la problématisation, ce qui nous appelle à élaborer un plan très judicieux qui va nous permettre de résoudre euh, le problème nous avons posé. C'est vrai, le vrai problème des élèves, c'est la problématique. C'est la problématique. Mais c'est le sujet, encore une fois, qui doit nous guider pour véritablement eh, dégager le problème qu'il renferme. L'élève n'a rien à, à inventer. Vous savez, le problème, c'est quoi C'est que souvent, les élèves abordent les sujets avec des a priori. Ils bloquent des notions et dès qu'ils voient un mot, ils se précipitent pour dire c'est ça, ou bien il se réfère à des sujets qu'on a traités, alors que chaque sujet est spécifique. C'est vrai, les, les, les, mots peuvent, euh, ou du moins les connaissances que l'élève a acquises peuvent l'aider effectivement à traiter une variabilité du sujet. Mais il faut surtout, surtout, l'élève doit faire euh, attention à la particularité du sujet. Par exemple, il vient de parler du plan dialectique le plus usité. Mhm. Hein? Et vous voyez, par exemple, même au niveau de la formulation, il y a ce qu'on appelle des sujets interrogatifs. Et même dans les sujets interrogatifs, il y a des sujets alternatifs. Vous comprenez mhm. Par exemple, quand je parle de travail, est-il un facteur d'aliénation Et là, l'élève doit savoir d'abord dans une première partie que euh, d'abord on s'intéresse sur la valeur du travail. Mhm. Est-ce qu'il vise à aliéner l'homme ou bien à le libérer donc là, l'élève doit être à mesure de formuler lui-même sa propre problématique. Mais par exemple, quand on dit le travail est-il pour l'homme un moyen de gagner sa vie ou de se libérer mhm. Le mot ou là, donc, c'est ce qu'on appelle sujet alternatif. Donc là, les deux parties sont déjà là. Il doit montrer dans un premier moment que le travail est un moyen qui permet à l'homme, par exemple, de gagner sa vie, d'être riche, et dans un second moment, il doit montrer que le travail est un moyen pour l'homme de se libérer. Mhm. Vous voyez. Et c'est pourquoi, justement, il faut s'intéresser chaque, fois, chaque fois à la spécificité des sujets. Mhm. Oh, oui, c'est donc euh, le sujet qui oriente beaucoup plus euh, le candidat. Absolument. Monsieur Lolé Abdelimam, comment savoir alors à quel euh, chapitre, chapitre peut bien sûr, des cours de l'année renvoie un sujet de philosophie au baccalauréat ben, Je pense que c'est une bonne question. Et parmi donc, disons, les conseils hein, de choix, je pense qu'on doit dire aux élèves, premièrement, qu'ils ne doivent jamais être attirés par un sujet à cause de la notion qui a été invoqué dans le sujet. Absolument. Euh, parce que bon, la dissertation n'est pas l'occasion d'un rabâchage en fait d'idées, mm-hmm. euh, <laughs> n'est-ce pas euh, Disons sur c'est un sujet, ce n'est pas du tout ça. Je pense que ce qui doit guider l'élève, c'est comment dire le problème du sujet. Mm-hmm. Est-il à mesure de l'aborder ou pas a-t-il des éléments donc pour pouvoir argumenter je, pense que c'est ça qui est essentiel. Mm-hmm. ici, c'est juste pour dire que, en fait, euh, un sujet, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule notion. Il peut être précisé dans un sujet, juste une notion, étudiée en classe. Mais en fait, on peut, euh, comment dire, l'aborder euh, avec plusieurs autres notions. Mhm. un sujet ne, cesse pas juste la mobilisation des connaissances acquises dans une seule notion. Je pense qu'on peut faire intervenir. Ici, comme je l'ai dit, le pari, c'est de pouvoir argumenter, de pouvoir produire une réflexion organisée, cohérente, ainsi de suite. Donc on peut faire appel en réalité euh, à d'autres idées qui sont acquises dans, euh, dans beaucoup de notions. Donc vraiment, il faut se méfier sur le fait de rapporter tout un sujet juste à une seule notion, mhm. euh, parce qu'on peut évoquer, on peut donc répondre à un sujet avec plusieurs autres idées acquises dans, D'ailleurs, il y a un lien entre les, entre les notions. Elles sont mhm. jamais séparées, indépendantes, mhm. ainsi de suite. Ça veut dire qu'un sujet peut renvoyer à plusieurs chapitres de l'année. Naturellement, naturellement, n'est-ce pas euh, l'essentiel pour l'élève, vraiment, c'est de produire une réflexion qui soit la plus cohérente possible, la plus plausible, ainsi de suite. Absolument, euh, monsieur le Président. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur la question. Comment faut-il alors utiliser les citations dans le code du travail Effectivement, les <laughs> élèves euh, aiment beaucoup citer, si vous voulez. c'est rare de prendre un sujet sans voir de citations, etc. Mais il faut dire d'abord l'utilisation des citations, tout comme d'ailleurs les exemples. Mm. Euh, en fait, il faut dire que les citations ni les exemples ne peuvent pas se substituer à l'argumentation proprement dit. Ce qui est requis dans une dissertation, c'est l'argumentation. Mm. Je l'ai dit dans les objectifs. Mais ils viennent pour étayer une argumentation. Mm. J'ai soutenu un point de vue. Karl Marx, euh, Hegel a dit quelque chose. Alors, je viens, euh, si vous voulez, je, je dis d'ailleurs comme mm-hmm. un tel a dit, à juste titre. Mm-hmm. Donc, je, viens comme pour appuyer, pour étayer euh, l'argument que j'ai développé. Euh, euh, tout à l'heure, M. Isaac Akaba disait, à juste titre, qu'il y avait plusieurs types de sujets. Il y a les sujets questions, mhm. il y a aussi le sujet citation. citation bien sûr. Euh, mhm. On remarque que ces sujets-là sont récurrents de plus en plus ces dernières années, mhm. presque régulièrement. <laughs> nest le deuxième sujet souvent, c'est un sujet mm. citation. Mm. Euh, je pense que là, il faut donner beaucoup d'indications aux élèves euh, sur ces sujets. Le sujet citation, comment l'aborder Puisque là, il s'agit de la parole de quelqu'un. Voilà. C'est justement ce dont j'avais envie de dire. Parce qu'effectivement, mm. on remarque beaucoup d'erreurs au bac. Mm-hmm. Euh, vraiment, tous ceux qui ont l'expérience de la correction le savent bien. Mm-hmm je prends au hasard hein, Par exemple, on peut donner un sujet, une citation que tout le monde connaît. Mhm. l'enfer c'est les autres. On peut dire, par exemple, que c'est les autres de Jean-Paul Sartre. Exactement. On peut dire, par exemple, euh, mhm. que pensez-vous de cette affirmation de Jean-Paul Sartre mhm. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Ou bien, un deuxième sujet. En quel sens peut-on dire avec Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres Bon, euh, un sujet citation, c'est d'abord un sujet dans lequel donc on ouvre des guillemets, on cite. Mhm, bien pas sûr. On peut mentionner l'auteur ou pas. Mhm. Euh, mais ça devient toujours un citation tant qu'il y a ici des guillemets. Mhm. D'accord Alors, maintenant, euh, je pense qu'il faut bien dire aux élèves que euh, ces genres de sujets-là ne se traitent pas de la même façon. <laughs> Euh, je pense, je très brièvement, puisque bon, c'est une émission, il faut dire que tous les sujets citations malgré leur variété, parce qu'il y a extrêmement, là je viens de poser deux formes, mais il y a beaucoup d'autres formes. Euh, sur lesquels on peut proposer des sujets d'hésitation. Mhm. Voyez-vous donc, euh, généralement, les, tous les sujets d'hésitation, quelle que soit leur forme, généralement se traitent selon une règle unique à peu près, n'est-ce pas mhm. euh, Explication et puis appréciation. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que dans la première partie, même si on ne vous a pas dit, par exemple, dans les deux formes-là que je viens de vous donner, on n'a pas dit d'expliquer la citation, mais il convient à chaque fois que les candidats dans la première étape, ces vertus franchement à expliquer le sens de l'assertion. Mhm. Que signifie l'enfer C'est les autres. Mhm. Donc, première étape. Deuxième étape, maintenant, apprécier. Apprécier veut dire quoi Revenez Revenir au libellé. Mhm. Donc, suivre la consigne. Regardez dans les deux <laughs> sujets que je proposais, en exemple, les consignes sont différentes. Ici, on dit d'abord, euh, que pensez-vous Ensuite, là-bas, on dit, en quel sens peut-on dire n'est pas la même question. Quand ah on dit que pensez-vous, tout le monde sait, on demande votre opinion. est, voilà, c'est-à-dire, vous pouvez être d'accord avec euh, Sartre, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. Ainsi de Donc, c'est votre point de vue. Mais mm. alors, il suffit ici, euh, il s'agit surtout de, euh, disons, d'argumenter pour soutenir votre position. Mm-hmm. Voilà, par exemple, je pense, euh, dans le développement, on peut faire ces deux étapes. Mais dans le deuxième sujet, on dit dans quel sens Je pense que c'est une sorte de, justification du sujet qu'il faut. Mm. par exemple, si j'ai la possibilité de critiquer dans le premier sujet, dire que je ne suis pas d'accord avec Sartre, dans le deuxième sujet, vous ne pouvez pas. Mm-hmm n'est-ce pas Puisqu'on dit en quel sens Donc vous Devez, voilà, exactement. Enfin, vous devez aller dans le sens euh, de l'affirmation. Vous devez justifier à peu près, mhm. voyez-vous. Donc, de sorte que il faut forcément être attentif au libéré. Vous mhm. suivez toujours la direction qu'il vous donne. Bon, euh, malheureusement, souvent, euh, par exemple, vous, vous, avez des sujets sous, cette deuxième forme En quel sens peut-on dire Et vous, allez, vous voyez un élève qui fait un plan dialectique mhm. parce qu'il pense que <laughs> tous les sujets, c'est sous cette forme-là. Alors que euh, vraiment le, sujet citation a un traitement qui est, particulier. Si vous faites euh, une critique ici dans le deuxième sujet, je pense que vous êtes hors sujet carrément. Donc voilà un peu pourquoi il faut un peu euh, ouvrir les yeux des élèves. Bon, je pense qu'ils sont tous au courant, ils savent, hein. puisque là, on est à quelques jours de l'examen certainement que mhm. ils qu'ils sont forts des, méthodes, hein, normalement. Ce mhm. n'est qu'un rappel et des conseils, je pense, que ça l'objectif de l'émission mhm. ici. Monsieur Isaac gaba que recommandez-vous aux candidats par rapport à ces citations Comment faut-il utiliser les citations dans le corps du travail Oui, et je crois que je suis d'accord avec euh, l'inspecteur. Et vous savez, Monsieur Michel, souvent les élèves, effectivement, ont l'habitude de nous dire, Monsieur, de nous des citations philosophiques donc, euh, il pense qu'un chapelet de citation philosophique ou un chapelet d'exemple constitue en réalité l'épine dorsale de la dissertation philosophique. Il n'en est rien comme tel. En réalité, on peut réussir un devoir de philosophie très bien sans aucune citation. Et il a bien dit, la citation ne vient qu'à titre d'autorité. C'est pour corroborer votre pensée, c'est pour vraiment soutenir la thèse défendue. Donc, un auteur qui, a la qualification de philosophe, voilà ce qu'il a dit, vous rapportez donc pour renforcer, c'est pour corroborer la pensée. Mhm. Donc, euh, que les élèves ne soient pas vraiment obnubilés par euh, la recherche euh, des citations philosophiques ou des exemples, et surtout ces exemples, vraiment, ils peuvent même être des exemples de la vie ordinaire, de l'expérience quotidienne, etc., etc. Et surtout, ce qu'il faut savoir, comme le dit l'autre, un amas de briques n'est pas encore une maison. Mhm. Il faut agencer ces briques. Donc, un amas de citations ou d'exemples philosophiques n'est pas une dissertation philosophique. Mhm. Donc, c'est ça que les élèves doivent comprendre. On peut très bien réussir une dissertation philosophique sans citer, sans citation. Mais pourvu que le français soit bon et que la pensée soit logique. Alors, globalement, comment les copies sont corrigées, M. Isaac Gagba Monsieur Michel, vraiment, depuis un certain temps, les notes en philosophie ne sont plus aléatoires comme le pensent les élèves. Mhm. Vous comprenez C'est-à-dire ne sont pas arbitraires. Elles ne sont pas arbitraires. Je ne dis pas qu'elles sont toutes correctes, mais écoutez, il y a des variables euh, qu'on ne maîtrise pas. Sinon, il y a un processus d'harmonisation et je vous assure, un professeur passe au tableau, on définit ce qu'on attend de l'élève, on essaie même de se mettre à la place de l'élève. Après avoir, par exemple, dégagé ce qu'on attend de l'élève, mhm. maintenant on essaie de voir est-ce que le sujet peut être compris par tous, est-ce que le sujet n'est pas au-dessus de leur niveau. Donc on essaie de voir tous ces paramètres pour diminuer vraiment l'arbitraire dans la notation. Et un professeur passe au tableau, on essaie de montrer la démarche pour résoudre euh, le problème, pour traiter ce sujet. Et maintenant, après, on peut se mettre à la place des élèves pour dire, ah, voilà ce que les élèves vont faire. Mmh. Et on, oui, oui, on, on, discute, on se dit, bon, d'accord, s'ils font ça, voilà ce qu'on peut faire nous aussi. Voilà la note qu'on peut leur attribuer. Donc, vraiment, depuis un certain temps, il y a, je crois, une procédure très efficace, l'harmonisation qui permet de réduire l'arbitraire dans les notes en philosophie. On essaie de voir le niveau général, ce que les élèves peuvent faire, et en fonction de ça, on va les noter. Ça dépend des jurys. Je ne vais pas vous dire, par exemple, quand l'élève fait tel, il faut lui donner 8 ou 7. Non, non, mhm. non. C'est ensemble qu'on arrête cela en fonction de la nature du sujet. Monsieur Lola, de quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur la copie du candidat et comment éviter le hors-sujet. Effectivement, on l'a dit tantôt, euh, euh, vraiment dans tous les jurys, euh, les professeurs vraiment font un effort pour harmoniser. Mhm. Et je vous assure, vous allez voir, c'est généralement bon, un professeur qui va au tableau, le plus souvent le plus jeune. Et donc, on passe par les étapes que je vous avais indiquées au début. On mhm. définit les mots, on dégage un problème, on est d'accord, euh, et, aussi on pose une problématique. Ça, c'est le travail en UP. En UP, mhm. n'est-ce pas Donc, Unité euh, pédagogique. Voilà, et, et je vous assure, malgré comment dire, la, la, contradiction qui caractérise la philosophie, je vous assure que tous les professeurs finissent par être d'accord mhm. sur le fait qu'il y a un problème que le sujet pose, qu'il y a une problématique, donc une démarche à suivre pour pouvoir. Euh, donc, généralement, c'est autour de ça qu'on juge les élèves. Hein. Mhm. Est-ce que le sujet est compris je pense que euh, vraiment l'évaluateur se fait déjà une idée de la compréhension euh, par le, candidat du sujet à partir, par exemple, de l'introduction même. N'est-ce pas euh, Est-ce qu'il a bien posé le problème Est-ce qu'il l'a saisi d'abord <laughs> Est-ce qu'il l'a posé Et comment est-ce qu'il pense pouvoir se défendre donc, avec la problématique, etc. Voyez, donc, déjà, on se fait une idée. Après, on voit maintenant l'argumentation. Mmh n'est-ce pas Comment est-ce que. Je vous assure que quand un correcteur euh, il lit une très bonne copie, qui lui fait une très bonne impression en introduction, il est pressé d'aller découvrir euh, comment l'élève se défend. Donc après, maintenant, c'est l'organisation de la réflexion ou le plan qui va faire le reste. Mhm. Voyez-vous Bon, sans compter que vraiment, il y a des critères euh, de surévaluation. Par exemple, une très bonne synthèse, etc. C'est autant d'éléments qui viennent compléter, hein, n'est-ce pas, pour que, mhm. disons, l'évateur puisse évaluer. Donc mhm. voilà un peu tous les éléments n'est-ce pas Tous les ingrédients qui permettent d'évaluer. Ce n'est vraiment pas euh, par hasard. Je... C'est une préoccupation vraiment en philosophie, n'est-ce pas Que ce soit tous les formateurs, tous les enseignants en sont conscients. Et croyez-moi, régulièrement, il y a autour de ces thèmes euh, des débats. Chaque fois qu'il y a des rencontres entre enseignants, ainsi de suite, et entre donc encadreurs, etc. Euh, ce problème-là, je pense, n'est pas insurmontable. Il est en train d'être surmonté n'est-ce pas euh, Donc, vraiment, moi, je ne crois plus à la subjectivité euh, mhm. euh, des notes, non. Qui propose le sujet Si vous voulez, normalement, le processus qui devrait être fait, c'est les enseignants créés en main. Mhm. Généralement, les plus anciens, auxquels on envoie, en fait, si vous voulez, des invitations à, proposer des sujets. Mhm. Bon, en fait, ça, c'est la formule d'avant. C'est ce qui devrait être fait. Bon, de plus en plus, c'est vrai, bon, hier en suivant comment dire, la télévision. Je euh, j'ai pas été très surpris puisque je suis du milieu. J'ai entendu des plaintes au BEPC à des sujets qui sont hors programme. Mhm. Moi, à mon avis, tout ça vient du fait que, malheureusement, euh, les principaux concernés, c'est-à-dire les enseignants eux-mêmes, sont mis de côté mhm. de plus en plus. Bon, euh, malheureusement, il faut le dire, hein. <laughs> c'est avec une jeune, mais de plus en plus, c'est peut-être euh, d'autres personnes qui ne sont pas forcément liées au système euh, d'enseignement direct au secondaire mm-hmm. qui proposent les sujets. Et à mon avis, c'est ce qui fait donc les écarts. Pourquoi donc on s'écarte du programme Parce que si vous n'êtes pas euh, au courant du programme, c'est pas évident que vous proposez des sujets. Euh, bon, vraiment, ça c'est une problématique qui est, <laughs> si vous voulez, un peu euh, grande. C'est vrai, mhm. il faut aller de plus en plus franchement vers... Je pense que c'est une des conditions pour éviter les, les mauvaises notes, pour éviter les taux d'échec de plus en plus. Je pense qu'il faut concilier avec ça. Il faut vraiment qu'on mette les enseignants, je pense, en droit du proposer des sujets. Maintenant, bon, après, il y a différents niveaux. Il y a des commissions qui possèdent un choix. Mais tant que vraiment les enseignants seront écartés, il y aura toujours ces problèmes. Et malheureusement, c'est les élèves qui, qui, qui, qui, en pâtissent. Bien sûr. Nous allons vers la fin de cette émission. C'est de nous dire à présent les erreurs à ne pas commettre euh, sur les copies et comment éviter le hors-sujet, monsieur Lola euh, Peut-être que je commence par la <laughs> dernière question. Comment éviter les, les hors-sujets Je pense qu'il y a deux types de hors-sujets le haut sujet partiel et le haut sujet total. Mhm. Dans le premier cas, donc euh, l'élève, si vous voulez, euh, retrouve par moment le sujet sans vraiment l'aborder euh, dans, dans, toute son analyse. Mhm. Donc c'est par moment, par séquence qu'on trouve, qu'il retrouve le sujet. et le haut sujet total, comme dit son nom, hein, totalement toute la copie s'écarte. Donc c'est comme si le, candidat se donne un autre sujet qu'il traite. il ignore royalement le sujet qu'il est proposé. Mhm. Je pense que comment l'éviter, c'est simple. Hein, c'est la méthode là dont on a dit. Hein. Il faut faire l'analyse du sujet. N'est-ce pas Il faut analyser le sujet, tous ses contours. C'est-à-dire qu'on on passe par la définition de mots, quand on identifie le problème, euh, je pense quand on élabore donc une problématique, euh, on a la possibilité d'éviter, euh, bien sûr, de, sujet. Il faut comprendre le sujet et là, la compréhension découle de l'analyse, n'est-ce pas, à travers la méthode que j'ai indiquée tantôt. Je pense que c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut le dire. C'est bien, merci. Monsieur Isaac Garba, au baccalauréat, alors même que la durée de l'épreuve est de 4 heures, certains candidats passent plusieurs dizaines de minutes sans rien commencer ou changent carrément de sujet en pleine rédaction. Comment surmonter cette peur de présenter une copie blanche ou un travail mal fait au bac et quels conseils avez-vous à donner aux candidats dans ce sens pour terminer Oui, vous savez, comme le dit Hegel, il faut du sérieux en philosophie. Les élèves ont tendance à banaliser cette discipline. Vous comprenez, quand il y a une préparation sérieuse au préalable, il n'y a pas un sujet que l'élève ne peut pas aborder ou, se défendre vraiment de manière euh, correcte. Donc le plus souvent, les élèves, comme je le dis, ils abordent les sujets de philosophie avec des préjugés ou bien des sujets bloqués à l'avance. Euh, je vous dis, comme il l'a dit, j'ai corrigé le bac une année et, les sujets portent sur la science. Mais l'élève est venu, il a mis autrui peut-il m'aider. Mmh. Ça, c'est carrément, il y a même un autre terme plus que hors sujet, ça il est carrément en dehors. Parce qu'il fait donner lui-même son propre sujet. Hmm. Vous comprenez et, souvent, et sur le plan émotionnel, les élèves ont tendance systématiquement à retrouver ce qu'ils ont vu. Il n'est pas dit forcément que le sujet qu'on va vous proposer, vous l'avez traité en classe, vous l'avez étudié. La philosophie, c'est la réflexion. Tout à l'heure, l'inspecteur vient parler de l'argumentation. Vraiment, la, la, la dissertation philosophique repose essentiellement sur l'argumentation, donc c'est-à-dire un raisonnement vraiment tendant à prouver ou à soutenir une idée, une idée ou une opinion. Donc, l'élève vraiment peut se débrouiller. La mhm. philosophie, ce n'est pas vraiment une discipline, euh, vraiment, comme on le dit, euh, d'une autre planète. Non, non, non. C'est la... dit, les plus grands problèmes de la philosophie pour Dallas. Donc, les élèves doivent être attentionnés mhm. si effectivement ils se dégagent de cette idée préconçue qu'ils doivent nécessairement trouver un sujet qu'ils ont déjà étudié en classe. Mhm. Ils ne vont jamais donner des, des copies Donc, ils mhm. doivent faire l'effort vraiment de réfléchir un peu sur le sujet. Et même si effectivement ils prennent des minutes, ils doivent se concentrer pour s'assurer d'abord. Il faut s'assurer qu'on a compris le sujet avant de commencer à le traiter. c'est très important. Quand bien même on voit souvent que les élèves euh, se plaignent souvent en disant que c'est surtout en philosophie que les notes sont à un niveau très bas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela Comment gérer le stress euh, à ce niveau à l'examen, monsieur, pour terminer L'échelle de notes, c'est effectivement de 0 à 20. Mhm. <laughs> Donc, euh, toutes les notes, normalement, peuvent être données. Très souvent, vous avez des sujets qui sont plus faciles que ceux qu'on traite en classe au mhm. bac. Mais le problème, c'est que donc, euh, les élèves sont effectivement stressés. Et, c'est pour ça que donc, je pense qu'il y a des bons conseils à donner en amont. Mhm. Euh, je pense qu'il faut. Bon, en fait, les élèves sentent ce sentiment-là. Ils ne sont jamais prêts totalement. Bon, ça, c'est un sentiment qu'on doit ressentir. Après le bac, ils feront bien d'autres diplômes. Mais on ne se sent jamais suffisamment prêt. Mais si l'élève a été sérieux, euh, n'est-ce pas, toute l'année, il a été assidu. Euh, il a fait tous les exercices, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Mhm. Euh, je pense que euh, dès la veille, il faut se reposer à temps. Moi, je pense qu'au-delà de 22 heures, au maximum 23 heures, un, candidat n'a rien à faire debout. Il faut aller dormir parce qu'il <laughs> faut se réveiller, donc l'esprit frais, pour se soumettre justement à l'épreuve de demain. Mais au préalable, il doit avoir, je pense, rangé tout. Mhm. avant d'aller dormir. Hein. La convocation, la carte, vraiment toutes les matières dont on a besoin. Donc, il prépare tout en amont. Euh, et s'il dort vite, je pense qu'il peut se réveiller vite. Et surtout avec, euh, je pense, la collaboration des, parents avec lesquels il vit. Mhm. Donc, euh, et qui l'amène au centre à l'heure. Bon, il faut se concentrer. Il faut se dire une chose. L'examen, c'est une épreuve comme les autres de la vie. Mhm. <laughs> Chacun, nous sommes là sur un terrain d'épreuve le bac donc, est une des épreuves de la vie. Il faut savoir la surmonter. Je pense que c'est le premier problème à surmonter. C'est vrai qu'il y a des cas rares d'élèves qui sont bons en classe, mais qui viennent échouer. Je pense que euh, ça fait partie des problèmes ici. Parce que, mm. bon, l'élève qui vient stressé, donc, euh, il n'arrive pas à, gagner, à garder, comme on dit, son self-control. Donc, euh, vous voyez, si vous voulez, du coup, il n'a pas de prise avec tout son potentiel, tout ce qu'il a, en fait. Donc, je pense que c'est le premier élément vraiment à surmonter. Venir euh, à l'heure, bon, tout le monde sait que mhm. il faut, on procède à l'appel 30 minutes avant, euh, avant le début de l'épreuve. Le, candidat s'assoit tranquillement. Je pense qu'il faut garder le calme. C'est vraiment la première épreuve. Celui qui la remporte, je pense, peut remporter facilement les autres, surtout quand il est déjà moyen <laughs> ou, excellent. Donc, c'est ça qu'il faut. Merci pour ces différents conseils euh, fidèles auditeurs. Quelque chose à ajouter, monsieur Michel Oui, en quelques secondes, puisque nous sommes presque à, la fin de cette émission. Et, vous savez, nos candidats aujourd'hui, qu'est-ce qui les stresse ils sont souvent à la recherche de la fuite au lieu effectivement de se contenter de ce qu'on leur a fait pendant toute l'année. Ça, c'est une attitude 22 très 23 h le, le n'a rien à chercher, doit mhm. Oui, il n'a rien à chercher, monsieur Michel. Il doit se concentrer sur ce qu'on lui a donné. Vraiment, et c'est ce qui fait que souvent certains élèves vont jusqu'à 2 h du matin, ils se présentent le matin à l'école, même si c'est ça, effectivement, ils sont improductifs. Mhm. Donc vraiment, comme il l'a dit, il faut bâtir les eaux calmes. Les mhm. grandes cargaisons de la vie arrivent sur des mers tranquilles. Quand la mer de votre cœur est calme, vraiment, le succès va s'en suivre. Donc, il faut développer vraiment cette confiance en soi et vraiment, euh, le, le reste va venir. Euh, merci beaucoup. Merci à vous, fidèles auditeurs. Nous sommes au thème de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème l'épreuve de philosophie au baccalauréat au Niger, comment y faire face. Euh, nous espérons bien que vous avez compris la méthodologie, comment bâtir le plan comment dégager la problématique, euh, mais aussi que vous avez suivi les différents conseils euh, prodigués par nos invités. Nous étions en compagnie de M. Isaac Garba, enseignant de philosophie au complexe d'enseignement privé et de correcteur au baccalauréat 2019. Et monsieur Loli Abdoulimam, il est inspecteur principal en philosophie. Merci à vous tous, chers invités, d'être là et d'avoir répondu à nos multiples questions. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats au baccalauréat au nombre d'un peu plus de 64 000 sur l'ensemble du Niger. Au micro, c'était Michel Dégé pour la présentation. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du Forum de Studio Kalangou. Passez une excellente soirée et au revoir.